minutes. Aujourd'hui, on va préparer des hamburgers faits maison. Et eh oui, on a la possibilité, c'est pas juste les fast-food qui peuvent faire des hamburgers. À la maison, vous avez la possibilité de faire des burgers maison avec les ingrédients que vous aimez, c'est-à-dire ceux qui aiment les burgers sans moutarde, vous le faites sans moutarde, sans ketchup, sans mayonnaise, sans sans, mais n'empêche, vous avez la possibilité de faire des burgers maison parce qu'il y a du pain burger qui est de plus en plus vendu euh, dans les supermarchés, dans les supérettes. Ce n'est pas compliqué. Donc, on va passer au burger maison cuisine du jour. Très facile, c'est l'été. Donc, euh, voilà, vous pouvez le faire avant de partir au boulot et après le réchauffer au boulot. Ou bien, vous pouvez le faire dans votre chambre d'étudiant d'étudiante. Si euh, vous dites, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de manger du chef, je me fais un burger maison. Donc, c'est parti pour la cuisine du jour. Burger à la maison. Oh, alors, les filles, est-ce que vous aimez le burger Oui, moi j'adore, je suis une adepte. Une adepte du burger <laughs> Ouais. Et, de temps en temps, ça vous, ça vous, vous, pensez à faire du burger à la maison ou des fois pas de dimanche d'un à la maison Par dimanche, d'un kadef à la maison. Mm-hmm. Et c'est très, bon. oui, Il y a la sauce, il y a tout. Euh, je pense que tout, est, tout, est, tout, se vend ici. Hein. Tout se fromage, vend ici. Fromage, ah, ah volonté. <laughs> fromage à volonté. Alors, Bintou, par exemple, toi, ton burger, euh, c'est quoi la particularité de ton burger Parce que tu le fais, euh, voilà, selon toi, tes désirs. Mhm. waaw damay la sauce qui me gën safal man du ma fromage mais je nga que si on suñu waa dañu bëgg fromage dama ko ciy def ba mu gën saf ba pare steak bi dama ak nen bi def ko ba mu duuf <laughs> xam na ne que su ma ŋaaŋee rek affaire bi di toq di siit <laughs> ok, d'accord. Alors, tu as dit quelque chose qui, par curiosité, quel genre de sauce tu fais euh, damay def sauce qui est ne ñorul comme niñ koy si fast food c'est-à-dire sauce bi dama koy à rek. Mhm. soble bi c'est moitié cuit moitié. Euh, d'accord mi-cuit voilà après ma jël ko def ko damay jël pain bi ma dindi lépp loo xam je ne que mooy le bi. Mhm. pour mën a dugal lépp loo xam ne que condiment ci biir burger. effectivement il y a même des pains burgers qui sont vendus dans certaines boulangeries aussi j'ai oublié de le dire. Euh, alors, euh, alors, toi, ton burger, ok. Euh, oignon mi-cuit. Wow. Steak haché ou bien tu achètes déjà les steaks D'accord, tu, fais ton propre steak, tu achètes de la viande hachée. Viande hachée. D'accord, tu assaisonnes Assaisonne ko, de boko. Mhm. de steak, à Ah, def ko comme grillade. su ma paree ma teg ko au charbon suma charbon su ma ko. à côté ma jël saaf sama frite. Mhm. frite bi du ko du ma jënd frite surgelée damay jënd frite normal ma baxal ko def si vinaigre. bo ci mhm. defee vinaigre da koy jox effet bu croustillant. d'accord et après nga saaf ko. après ma saaf ko d'accord su jël salade bi lépp luy lo xamné ne que c'est vert. du mhm. ko mariner du ko def dara. dama ko ci tek non pour am effet nature bi. d'accord su ma jël sama ketchup sama moutarde. mayonnaise bu bëri. à la place parce que man mayonnaise française laa gën a bëgg pare ma def si sama ay cornichon tomate fraîche euh, gel euh, bi kaani def d'accord euh, donc tu n'aimes pas le fromage tu ne mets pas de fromage. non moitié moitié d'accord on a fait ça ton burger comment tu le fais. vu que je ne mange pas de légumes moi mon burger il est il est plutôt axé côté viande. Mhm. c'est-à-dire double viande. double viande double double carnivore. beaucoup beaucoup beaucoup de fromage beaucoup de mayonnaise du ketchup <laughs> alors les frites c'est vrai que je suis comme Bintou je préfère les frites euh, faites maison. Mhm. donc c'est plus croustillant et comme Bintou a dit par exemple elle elle a l'astuce du vinaigre. Mhm. Mais moi, à la maison, euh, souvent, comment on fait pour avoir des frites croustillantes oui. et bachal. Et après, on mhm. met un tout petit peu de farine avant de les faire cuire. Donc. Euh, ah bon Ah, c'est une astuce aussi. Un mhm. petit peu de farine. Et c'est très bon. c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Tu as l'impression de manger en fait des gâteaux aux pommes de terre. Oh Alors, il y, y, a une autre astuce aussi pour faire de bonnes frites. Euh, acheter du lait bridel. Je sais, ça, va faire. acheter du lait bridel, découper les, couper les frites ou bien les frites déjà surgelées. Vous les mettez, vous laissez genre 30 à 45 minutes, plongez dans du lait mhm. et après vous enlevez parce que le lait va s'imprégner dans la pomme de terre, dans les frites. Et après, une euh, voilà, vous faites frire euh, vos frites et ça donne un effet euh, croustillant avec un petit goût lait, milk, comme ça. C'est bon aussi, c'est une astuce. Voilà, je pense qu'en cuisine, il y a, énormément, énormément d'astuces pour, euh, faire euh, que ce soit des frites, de la viande, mhm. euh, assaisonner la viande du burger aussi, c'est très important. Hein. D'accord, allez, et il y a beaucoup de sortes de fromages aussi. On peut mettre mhm. du cheddar comme on peut mettre du gruyère. oui, de lémental du bleu si vous aimez le bleu ou le vert aussi, si vous aimez le camembert. Il y en a qui mettent du camembert mhm. aussi dans le burger si vous aimez. Attention. Après, il y en a même qui mettent du fromage de chèvre aussi dans leur burger. Ce sera un burger au fromage de chèvre. Et eh oui, ça c'est pour quand on aime le fromage. Allez, rapidement, on va cuisiner un burger maison. Alors pour faire un burger maison, il faut forcément euh, deux pains spéciaux burger de grande taille. C'est parti, le Wolof. Alors euh, pour faire ce hamburger, li ngay soxla moy euh, mburu bi nga xamantene mom lañuy un hamburger té na mhm. yo le yu xawa touti. Mhm. Il vous faut deux steaks hachés. Di sur le steak bi moy na mi ndawal bi. De l'oignon, plaît. Euh, du fromage, quel que soit le fromage que vous aimez, que vous avez à la maison. du fromage, ça dépend fromage Si vous aimez les légumes, concombre, salade, tomate. Alors, vous faites que les légumes, vous avez salade, concombre, tomate. Avoir de la moutarde à côté. moutarde Du ketchup. À ketchup. Du sel. Du poivre. Préchauffer le four pour les tranches de pain dans un plat face retournée. alors nga jël ce li nga xamante ne mooy yi nga ko nga mburu hamburger bi nga teg ko ci sa plaque. étaler dessus la moutarde et le ketchup. nga jël euh, moutarde bi ak ketchup nga diw ko ci. déposer les tranches de de fromage pardon. je fais des fromages nga lal ci tranches tranche fromage. <laughs> enfourner 5 minutes. nga jël ko ko ci four bi ci juróomi simili. cuire les steaks 5 minutes avec les oignons puis saler et poivrer après nak nga jël say steak nga saaf ko pendant 5 minutes après nak nga def ci sa xorom ak sa poobar. si vous aimez des œufs dans votre burger vous faites à côté un œuf au plat. bu fekkee da nga bëgg nen ci sa biir hamburger nga del nen bi nga togg ko ci wet bi. posez les oignons et la viande dans le pain. après nak nga jël sa yàpp ak sa soble nga teg ko ci mburu bi. mettre à nouveau de la moutarde et du ketchup à l'intérieur. nga defaat ci encore moutarde ak ketchup ci biir. refermer les pains. après Enfourner le tout pendant 10 minutes. nga jël yëpp nga bàyyi ko ci biir four bi pendant fukki simili ceux qui aiment vraiment encore une fois les légumes, vous pouvez couper en frites le concombre puis disposer dans l'assiette à côté. Alors pour légumes concombre comme frites mhm. Et puis servir chaud vous n'aimez pas les légumes faites des frites maison ou bien allez acheter euh, dans les grandes surfaces justement les frites surgelées déjà coupées et puis faites frire et puis bon appétit. Alors euh, les filles j'aime bien vos burgers hein. ça donne envie. Hein. Mm. Oh même les internautes réagissent euh, à 10h. Awa Bobo, Watt qui dit Bonjour les filles, le burger c'est mieux quand c'est fait maison, surtout pour le steak. Le surgelé n'est pas toujours de qualité, alors que quand on fait ses propres steaks, la viande fraîche, on peut mettre les épices qu'on souhaite. Effectivement, les épices c'est très important. Il y en a qui mettent du paprika par exemple sur le steak, euh, il y en a du cumin, etc., etc. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui aiment le burger. les burgers I'm in love with this food. Donc euh, voilà. Voilà, donc burger, beaucoup de gens apprécient. Nafissa, Paris Akili, Nafissa, hmm, Dina c'est quel jour ton burger <laughs> Awad Abouad, what happened Fatim Why you are you all dressed white C'est coïncidence, hein euh, On a toutes porté du blanc, mais c'est par coïncidence. Khadisan qui dit Ouloulou, ner notor mangita kamtiku. Et eh oui, le burger fait maison, ça peut se faire. Et puis demain, je vais vous proposer, euh, comment on appelle ça encore Après le burger, c'est le shawarma, ah. fait maison oh. demain. Et eh oui, on peut le faire. Bah Il n'y a pas que les Libanais qui savent le faire. Hein. Il suffit juste euh, de connaître les trucs et astuces, comment le faire, les épices les bonnes épices pour avoir ce goût shawarma avec la sauce blanche ou sans la sauce blanche. C'était tout pour aujourd'hui. Rapidement, on va faire rapidement justement euh, par rapport à ce qui s'est passé hier.